le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Yubakaka. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz et Kwarategi 90.9 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Tirozérine, Magaria, Menesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel, Saï, Walam, Tera, Dogonduti, Madawa, Dakor, Soro, Kabalewa et Notre page Facebook Studio Kalangu. Notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum de ce soir parle des préparatifs de la rentrée scolaire 2017-2018 au niveau de l'enseignement de base, la frange la plus importante de l'école nigérienne. Le 2 octobre 2017, les scolaires nigériens de l'enseignement de base reprendront les classes sur l'ensemble du territoire national après trois mois de vacances. En principe, élèves et enseignants seront de nouveau ensemble durant les neuf prochains mois d'octobre 2017 à juin 2018. Le 14 septembre dernier, le ministre en charge euh, du secteur, Daouda Mamadou Marti, alors qu'il donnait le top départ des fournitures scolaires à destination de l'ensemble des écoles du pays, promettait que tout sera fin prêt dans les délais requis pour une bonne rentrée scolaire 2017-2018. Nous ferons au cours de ce forum le point de cette promesse. Selon le ministre, cette année, l'État a environ 3,5 milliards de francs CFA pour l'achat de fournitures scolaires, un peu plus, un peu plus que l'année dernière. Les effectifs auraient augmenté dans les écoles du Niger qui accueillent pratiquement chaque année quelques 500 000 nouveaux élèves en classe de CI estimé en tonnage, c'est environ 2630 tonnes de fournitures scolaires composées de cahiers, livres, stylos, règles, etc., qui seront disponibles dans les différentes écoles du Niger. Selon les autorités, outre la question de fournitures scolaires, toutes les autres dispositions sont également prises pour réussir une bonne rentrée scolaire 2017-2018. Les services concernés par les affectations des enseignants sont à pied d'œuvre pour placer qui il faut là où il faut. Des sources proches du comité interministériel des négociations avec les syndicats du secteur de l'éducation, des dispositions vont être prises concernant les pécules des enseignants contractuels. Il faut préciser que la rentrée scolaire 2017-2018 tombe dans un contexte marqué par l'évaluation des enseignants contractuels organisée par le ministère de l'enseignement primaire en vue de rehausser la qualité de l'enseignement. Pour en parler dans ce studio, dans ce studio nos invités, Taher Sabra, secrétaire général, deuxième secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants du Niger, SNN. Monsieur Taher, bonsoir. bonsoir. Nous avons donc en ligne Aliou Samna, membre de la synergie cause Niger-Sinaseb. Aliou Samna, bonsoir. Bonsoir. Notre troisième invité sera Ashana Hima, qui nous attendons incessamment. Il est le directeur des ressources humaines au ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangou. Monsieur Ataher, les syndicats, est-ce que les conditions sont aujourd'hui réunies pour une bonne rentrée scolaire euh, Merci Séni. Je profite aussi pour euh, saluer l'ensemble des enseignants et enceintes du Niger en cette veille de rentrée et je profite aussi pour leur souhaiter une bonne rentrée et des bons préparatifs euh, pour la rentrée scolaire. Uh-huh. En fait, pour revenir à votre question, moi je pense qu'il n'y a jamais eu des, des bonnes conditions de rentrée. Depuis une, dizaine d'années, les rentrées se font la plupart des temps en catastrophe. Chaque année, on nous fait montrer des fournitures. Là, d'accord, les fournitures sont essentielles pour ah préparer la rentrée. On nous euh, montre, on fait l'affectation, la mutation des enseignants, etc. et autres. Tout ça ça rentre dans les préparatifs de la rentrée. Mais tout ce que nous, nous avions voulu, c'est qu'avant la rentrée, avant tout ça que l'ensemble des partenaires de l'école, se retrouvent autour de la même table et préparent la rentrée ensemble, chacun pour sa part. Qu'est-ce que je suis en mhm. train de dire par rapport à ça Je dirais les syndicats, les parents d'élèves, les élèves et étudiants et l'État se retrouvent autour d'une même table pour préparer une rentrée consensuelle. Et au stade actuel, je ne pense pas que cette rentrée, que cette rentrée fera l'unanimité. Elle n'est pas consensuelle. Ah, elle ne le sera jamais du moment où nous, nous avions beaucoup de doléances nous avions notre convention qui a été signée, que nous avions signée depuis le 7 juin 2017, et cette convention reste en souffrance par rapport au suivi de, l'application du protocole d'accord que nous avions signé depuis le 13 décembre 2016. Voyez-vous Et comme cela, on ne peut pas parler d'une bonne rentrée du moment où les anciens ne sont pas dans de très bonnes conditions de rentrée. La synergie cause Niger, Aliou Samna, vous êtes en ligne. Quelles sont, selon vous, les conditions de cette rentrée Est-ce qu'elles euh, sont, euh, elles sont bien réunies Bien, merci. Euh, Permets-moi vraiment de féliciter et d'encourager Salangou et tous ses agents. Euh, en ce qui concerne la synergie cause niger nous estimons que euh, la rentrée de cette année elle ne diffère pas très loin des autres rentrées. Il faut euh, reconnaître qu'il y a vraiment les fournitures scolaires, puisque nous avons assisté à cette cérémonie, uh-huh. où les fournitures scolaires ont été envoyées au niveau des régions. Nous avons demandé au niveau de nos représentants, certains nous ont déjà affirmé euh, que le matériel est là. Maintenant, nous souhaiterons que ce matériel puisse euh, être au niveau donc de toutes les écoles pour que les enfants donc des Nigériens puissent avoir ces fournitures scolaires. Euh, le deuxième aspect, quand on parle de rentrée, on parle également des affectations. À la date d'aujourd'hui, au niveau donc du ministère de l'Enseignement secondaire, il y a eu des affectations. Au niveau du ministère de l'enseignement primaire, il y a eu des affectations et dans la recherche de la qualité, puisque les syndicats également sont acteurs dans la recherche de la qualité. Ah la recherche de la qualité n'est pas seulement l'apanage des ministères, mais les syndicats également, nous voudrons qu'il y ait la qualité. Et pour cela, nous avons siégé au niveau donc, des commissions, au niveau des ministères de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, et pour que nous puissions voir comment faire en sorte que l'ensemble des Nigériens, des enfants nigériens puissent avoir des enseignants et des enseignants de, qualité. Donc là également, à ce niveau, le travail est en train donc, euh, de se de façon donc, euh, convenable. Donc nous disons également euh, que pour la difficulté, puisqu'il y en a, tout ne peut pas être rose, il faut le reconnaître. La difficulté se trouve au niveau du dialogue social. Et il est vraiment souhaitable, Avant Sabra l'a dit, que les syndicats et le gouvernement se retrouvent qu'on puisse discuter de comment faire en sorte que la rentrée puisse être consolidée. Et puisque de la synergie cause nous estimons que ce n'est pas faire la rentrée seulement, puisque la rentrée de tout temps, elle est décidée par le pouvoir politique, mais nous estimons qu'après la rentrée, il faut que le puisse continuer du début jusqu'en fin d'année, qu'on puisse minimiser les mouvements, si bien des enseignants que des élèves. Et pour cela, il est nécessaire que les syndicats et le gouvernement se retrouvent pour discuter. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, puisque surtout cette année, il y a eu une question euh, d'évaluation. Donc c'est bon que les syndicats se retrouvent avec, avec, leurs partenaires, puisque nous n'avons pas d'autres partenaires autres que le ministère, pour que nous puissions voir comment ensemble nous allons créer les conditions d'une année stable. Il est extrêmement important et tout c'est de cela qu'il s'agit véritablement. Est-ce que le ministère a besoin de vous impliquer pour l'organisation de cette euh, rentrée scolaire mais Le ministère nous a impliqués. Euh, lorsque, le ministère, euh, pour l'envoi des fournitures scolaires, appelle les syndicats pour dire venez voir, nous sommes en train de les envoyer. Lorsque, au niveau des régions, on nous appelle notamment pour dire voilà, le matériel est arrivé et qui sera mis à la disposition des uns et des autres. Lorsque, par rapport à l'affectation des enseignantes et enseignants, le ministère appelle les syndicats pour dire venez essayer avec nous dans ce qu'on appelle la commission d'affectation ou les commissions d'affectation. Vous voyez Donc, cela veut dire que le gouvernement eh, nous a eh, vraiment euh, mis dans les démarches de la rentrée. Et cela n'est pas nouveau. Ce sont nos partenaires. Ils n'ont pas d'autres partenaires que nous. Nous n'avons pas d'autres partenaires qu'eux. Donc, nous sommes obligés de les préparer ensemble. Et nous sommes en train effectivement de préparer cette rentrée ensemble pour qu'elle puisse vraiment se passer de façon, euh, de la plus acceptable possible. On ne dira pas une rentrée parfaite puisque celle-là n'existe pas. D'accord. Monsieur Taher, vous disiez tantôt que cette rentrée, elle n'est pas consensuelle. Euh, pourquoi elle n'est pas consensuelle En fait, je suis en train de dire qu'elle n'est pas consensuelle du moment où on aurait dû la préparer mieux que ce qu'on est en train de faire. Voyez-vous, nous, pour, pour qu'il y, ait une accalmie, pour qu'il y ait une euh, entente autour de la rentrée, le mercredi passé, nous nous sommes invités chez le Premier ministre avec l'ensemble des syndicats de la FISEN pour pouvoir faire le tour, le bilan d'exécution de notre euh, convention qui nous avait signée. Et après avoir fait le bilan, effectivement, nous, euh, eux, nous avions compris qu'il y a beaucoup de choses qui restent à, faire. Effectivement, on a pris d'autres rendez-vous. Bientôt, on va encore les rencontrer pour pouvoir pour pouvoir trouver des voies et moyens pour pouvoir euh, satisfaire ces, doléances-là qui n'ont pas été respectées. J'ai dit aussi qu'elle n'est pas en tout simplement, vous savez, c'est La rentrée, c'est la rentrée. La rentrée, c'est un jour. La rentrée, c'est deux jours, une semaine, tout au plus. Mais nous avons l'année à préparer. Ce n'est pas la rentrée qu'il faut préparer. C'est l'année qu'il faut préparer. L'année, une bonne année se prépare à la rentrée. Une bonne année se prépare d'abord pendant les vacances, ensuite à la rentrée. Nous, c'est de ça qu'on parle on peut dire, bon, dans tous les cas, il n'y a aucun syndicat aujourd'hui qui va dire non, donnez le mot de ne pas rentrer, non. Nous, on est formel là-dessus. Nous demandons à tous les enseignants d'être prêts pour la rentrée scolaire d'ici et euh, du D'accord. On se souvient, la fusaine, euh, au moment, à un moment donc, vers la fin de l'année scolaire, avait signé un accord avec le gouvernement. Est-ce que l'accord a été entièrement mis en œuvre par le gouvernement c'est de cela que je te parle. Malheureusement, ça n'a pas été mis en, œuvre dans son entièreté. Et je suis dire beaucoup. Pourtant, vous avez cru au gouvernement. Oui, nous avions toujours cru parce qu'on n'a pas quelqu'un, on n'a pas, comme à l'habitude de le dire, monsieur le Premier ministre, on n'a pas quelqu'un avec qui on va négocier parce que c'est eux le gouvernement aujourd'hui. Qu'on ait confiance ou pas, on est obligé de négocier avec eux. Il n'y a pas quelqu'un qui va donner d'autres choses aux anciens si ce n'est pas ce gouvernement-là. On est obligé d'avoir confiance. Et d'ailleurs, nous, on a toujours eu confiance. Surtout cette fois-ci, nous avions négocié avec l'ensemble de tous les ministres, une dizaine de ministres, y compris le premier ministre et le président du comité de négociation, M. Bazoum, euh, son Excellence Bazoum Mohamed. Vraiment, nous, nous avions eu confiance. Mais malheureusement, il se trouve que euh, d'autres points n'ont pas été satisfaits, mais il y a d'autres points qui ont été satisfaits à 100%. Par exemple, la mise en, solde de 288 enseignants du secondaire, ils ont été mis en solde sans problème. Par exemple, l'attribution des matricules, ça a été fait à moitié. Il y a 346 matricules qu'on devait mettre en solde, qu'on devait attribuer et mettre ces enseignants-là en solde en, en juin. Il y a eu 200 qui ont eu leur matricule en juin et ont, ont été mis en solde en juin. Maintenant, il nous reste 146. Sur les 146, aujourd'hui, nous avons 114 qui sont à la fonction publique. Ça aussi, on peut considérer que c'est un point qui a beaucoup avancé. Mais est-ce que la synergie n'a pas eu raison sur vous quand euh, on se souvient en ce moment, la synergie avait refusé de signer cet accord, disant que le gouvernement ne tiendra pas euh, sa promesse, comme il l'a fait toujours. Je te rappelle, la synergie, c'est nous qui l'avons créée c'est nous qui l'avons créé. Si certaines choses, nous avons des façons de lutte, notre manière de lutte n'a pas été, on n'a pas les mêmes façons de concevoir la lutte syndicale, malheureusement. Raison pour laquelle on s'était séparés. Mais la plupart des temps, on a toujours négocié ensemble. Hein. Cause Niger, Sinaseb et la Fusen, on a toujours presque négocié à la primature avec eux. Ils n'ont pas signé. Nous, on a signé. C'est une question de choix. Nous assumons notre choix. Mais quel que soit ce qu'on va dire, aujourd'hui, on peut se dire que nous avons eu 200 matricules et 200 matricules pour 200 camarades qui ont été mis en solde. Ce n'est pas rien. 288 000 en solde des enseignants du secondaire. Ce n'est pas rien aussi. Et je pense qu'en signant cet accord, nous avions permis euh, à, l'école nigérienne de, de souffler un peu nous avons permis aux enseignants et aux élèves de se retrouver et d'aller à l'école. Vous disiez tantôt que les fournitures scolaires il y en a. Une partie de vos, des points d'accord ont été mis en œuvre par le gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez de plus en dehors de cela pour une bonne année scolaire Vous avez bien dit une partie. Une partie, ce n'est pas l'ensemble. Mais une grande partie, tout de même. Ah, je n'ai pas dit une grande partie, j'ai cité deux points qui ont été satisfaits à 100%. Ah si tu prends par exemple la révision du décret pour euh, le recrutement des anciens contractuels à la fonction publique, ça n'a pas été révisé. Il y a d'autres problèmes en bas aussi. Si tu prends euh, la régularité des paiements des pécules de contractuels, aujourd'hui, certains contractuels n'ont pas eu le mois d'août. Voyez-vous, ils ont fêté sans, sans salaire. Ils n'ont pas eu aujourd'hui le mois d'août. À peine il y a 10 jours que le mois de, de J a été payé. Quand même, ça, c'est des, revendications assez importantes euh, sur lesquelles on ne devrait pas euh, jouer quand même. D'accord. Voilà. Samna, vous êtes toujours en ligne. À la fin de l'année scolaire 2016-2017, vous, euh, vous vous êtes quitté en queue de poisson, si on peut le dire, faute de satisfaction de vos revendications. Est-ce que durant ces vacances, il y a eu reprise des négociations euh, il faut dire sincèrement qu'au niveau de la synergie niger euh, pendant ces vacances, il n'y a pas eu de, négociations négociation avec euh, la partie gouvernementale. nous n'avons pas eu de négociation. Et les dernières négociations que nous avons eues, c'est ce que vraiment tu as rappelé tout à l'heure. Il y avait eu cette, ces négociations au niveau de la primature par rapport à un certain nombre de préoccupations que nous n'avons pas, pour, pour lesquelles nous n'avons pas trouvé la solution. La synergie a estimé que ce n'était pas vraiment nécessaire de signer un autre accord. puisque nous nous sommes toujours référés par rapport au protocole d'accord du 13 décembre 2016, euh, nous disons que euh, ce protocole d'accord que nous avons signé euh, regorge déjà un certain nombre de points dont nous demandons la mise en œuvre. Donc nous n'avons pas signé les dernières négociations. Et pendant ces vacances, nous n'avons pas négocié, nous n'avons pas eu de rencontre avec la pas eu de rencontre avec la euh, avec les ministres en charge de l'éducation pour que nous puissions discuter en rapport donc, à nos points de revendication. Je disais tout à l'heure qu'il faut effectivement parler euh, de l'année scolaire, parce que par rapport à la rentrée, la rentrée proprement dit, au niveau donc de la synergie cause financière notre position est claire. Nous devons euh, euh, demander aux camarades de faire la rentrée du secondaire du 18 mai passé, la rentrée du 2 également il n'y aura pas d'obstacle en ce qui nous concerne. Nous avons clairement estimé que nous allons laisser les enseignantes et les enseignants euh, faire la rentrée et nous, allons espérer que le partenaire euh, nous appellera pour qu'on puisse discuter par rapport aux autres points d'achoppement. Et puisque nous, euh, nous l'avons dit et nous continuons à le dire, au niveau donc de la synergie cause niger le protocole du 13 décembre doit être mis en œuvre. Les points qui ont été discutés les engagements qui ont été pris par la partie gouvernementale, nous attendons à ce que ces engagements-là puissent trouver une suite favorable. Donc, en ce qui nous concerne, nous continuerons à attendre. Ce n'est pas à nous de convoquer le gouvernement, mais c'est au gouvernement de nous convoquer afin que nous puissions nous trouver et que nous puissions discuter et trouver une solution par rapport à ça. Nous sommes convaincus que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les membres de la synergie cause financière, nous sommes tous des Nigériens. Nous n'avons pas un pays autre que le Niger. Et nous n'avons pas un système éducatif autre que le système éducatif actuel dans lequel nous sommes. je, le disais tout à l'heure, la recherche de la qualité, c'est notre credo à nous tous. Et, il y a un problème majeur. Euh, Sabra l'a dit, le paiement des contractuels. Et certes, euh, je tiens à le dire, c'est un effort lorsque le gouvernement, avec ses partenaires, elles sont en train donc de réfléchir sur une façon de payer les fins contractuels à temps. Nous disons que c'est une bonne chose. Mais tant que cela ne devient pas une réalité, cela restera toujours un problème. Ça restera un problème, un problème auquel il faut trouver la solution. Et c'est vrai, le, jeudi prochain, il y aura donc euh, euh, une étude qui a été faite par, euh, par le gouvernement et ses partenaires pour trouver comment payer le contractuel à terme ici. Et tant que le gouvernement n'arrive pas à faire en sorte que les enseignants, aussi bien titulaires que les enseignants contractuels, puissent être payés à la fin du mois. Et en même temps, euh, il, y a, problème. Et il y a problème donc à la Donc, la euh, synergie ne boycottera pas cette rentrée Non, non, non, nous n'allons pas boycotter la rentrée. Nous n'allons pas boycotter la rentrée. Et d'ailleurs, même l'année dernière, nous n'avons pas boycotté la rentrée. D'accord. Nous, nous voudrons que les gens comprennent. Au niveau de la synergie, que nous sommes contre l'école publique nigérienne. Nous n'avons pas une autre, école autre que celle-là. Et, nous ne sommes pas contre non plus les enfants du Niger. Mais nous sommes simplement dans, un, dans une logique qu'il va falloir faire en sorte que le gouvernement puisse respecter les engagements qu'il a souscrits avec nous. D'accord, Samna. Nous avons notre troisième invité qui vient d'arriver, Achana Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des ressources humaines au ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Monsieur Achana, vous, êtes à quel niveau de préparation, même si vous avez pris en cours euh, ce forum merci. Donc, euh, je m'excuse d'être. Euh, Venir à Fetember indépendamment de l'embouteillage que je n'avais pas prévu. Je vous en prie. Donc, euh, effectivement, en ce qui concerne la préparation de la rentrée, il faut dire qu'il y a des, actions classiques, comme on traditionnel qui ont l'habitude d'être faites à la préparation de la rentrée. Mais pour cette rentrée, nous sommes partout là des actions classiques. Pour les actions classiques, c'est la question des mises à disposition des fournitures au niveau donc des différents démembrements, cette mise à disposition des fournitures donc en fait dans les lieux, ce sont les mouvements du personnel donc à fait d'enseigner ainsi que euh, ceux des responsables euh, donc euh, des services afin fait de concentrer. Donc toutes cette, ces commissions ont siégé et les actes donc d'affectation sont sortis, quoique les questions donc de mouvement ces derniers temps qui concernent essentiellement les femmes à plus de 80% qui suivent leurs conjoints, donc mm. fonctionnaires, nest pas, qui sont mutés. Donc, euh, n'est forcément pas fini dès septembre, puisque les autres euh, secteurs de l'économie, l'administration également font des mouvements. Donc, mais l'essentiel des mouvements, en fait, euh, sont, sortis par rapport à cette question-là. Mais également de les préparer de la rentrée, compte tenu du fait que dans la plupart donc, de nos pays en fait, africains, la rentrée est saisie par les structures syndicales pour faire euh, prévaloir donc leurs revendications. C'est à cette fin que nous avons donc entrepris un certain nombre de rencontres pour faire le point de là où nous sommes arrêtés l'année passée. Et nous avons à cet effet déjà donc rencontré la FISEN, avec qui nous avons signé donc, le dernier accord et où nous avons fait le point des différents engagements qui ont été pris, de ce qui a été fait, ce qui reste à faire, ainsi que des recommandations qu'il faut faire pour pouvoir améliorer ce qui n'a pas pu être achevé d'ici la rentrée. Et cette rencontre a eu lieu sous l'égide du Premier ministre. Nous allons également, avec l'intention de convoquer donc les autres acteurs de l'éducation, que ce soit les syndicats. Oui, la synergie, euh, les, les, les, associations de défense en fait, de droit, euh, à l'éducation ou les ONG qui travaillent là-dessus, également pour que nous puissions en fait, partager une préoccupation qui est la nôtre, et celle qui consiste à faire en sorte que euh, cette année qu'il ait comme une année scolaire donc normale et pour que cela fait, il faut que ça soit préparé dès le départ avec l'ensemble l'ensemble des acteurs. Cette année, dis-je, les préparatifs de la rentrée se dérogent un peu à ce qu'on a l'habitude de faire, puisque nous sommes dans une année où nous avons amorcé véritablement les réformes sur la question de la qualité de l'éducation à travers la mise en place de route qualité de l'éducation et le, conformément à ce qui est prescrit dans le PSF. Le c'est le programme secteur de l'éducation et de la formation. Nous, allons commencer à envisager le redéploiement, euh, c'est-à-dire la redistribution les personnels enseignants qui se trouvent donc en grand nombre dans les gros centres urbains au détriment des centres périurbains et ruraux. Ah et à cette fin, nous, mis nous, avons mis en place donc un comité qui y travaille. Ce comité est constitué des parents d'élèves, des syndicats d'infraction, de tous les autres acteurs donc associatifs qui entrent l'éducation, afin d'évaluer ce nombre de critères, euh, n'est-ce pas, donc, euh, qui puissent permettre de faire cette opération de la plus grande transparence. Donc, contrairement à ce que nous avons entendu dire quelque part, n'a pas encore effectué le redéploiement, mais c'est en cours puisque il euh, fallait nous entendre sur un certain nombre de critères pour que ça ne soit pas perçu comme euh, des, actions qui sont faites donc euh, un peu dans le hasard. Voilà justement, en termes de préparation. Bien sûr, la préparation ne concerne pas simplement le ministère. La ah préparation de la rentrée scolaire concerne également des membres des ministères. Donc, depuis la région, en passant par le département jusqu'au niveau local, chacun a ce qu'il s'active en fait, à faire en sorte que le dispositif euh, euh, environnemental de l'école, que ce soit d'un point de vue matériel, d'un point de vue concernant, d'un point de vue table, tout cela, chacun fait son rôle avec, comme vous le savez, un dispositif qui a été mis en place de le de la gestion euh, euh, de, l'école, à travers les COGES, à travers les soins des parents d'élèves, à travers l'association des mères éducatives. Chacun a un rôle à jouer chaque fois qu'il y a un événement aussi important que la rentrée scolaire. comme je l'ai dit, après la rencontre, nous sommes attelés à quelque chose qui nous paraît extrêmement important c'est la question des paiements des pécules qui eh, a fait subitement, il y a eu quelques retards, mais eh, des instructions même ont été données par le Premier ministre pour que des systèmes de paiement euh, euh en fait, anticiper un système donc rapide, pas le système d'avoir on envoie des AD où il faut donc fait attendre. Donc c'est sous forme de paiement par anticipation que les véhicules sont donc en train d'être payés afin que d'ici la fin de cette semaine, que le maximum n'est-ce pas, donc d'enseignants à fait contractuels, à défaut d'avoir les 5%, puissent être en possession de leurs émoluments afin qu'ils puissent effectuer la rentrée dans des conditions acceptables. D'accord, mais pourquoi euh, vous attendiez toujours à la veille de la rentrée pour rencontrer les syndicats Est-ce que ce n'est pas une pratique qu'il faut arrêter Non, ce n'est pas à la veille. Il y a eu, toutes les années, il y a eu beaucoup de rencontres. À la veille de la rentrée, parce que les préparatifs de la rentrée, donc normalement, vous savez, avant, il y a Conseil national de l'éducation. C'est une pratique institutionnelle. Et au Conseil national de l'éducation, avec le PSF, on a vu que ça a ses limites. Ça fait quelques temps, vous avez vu, on ne fait plus de Conseil national tout le monde vient dit. Voilà ce qu'il faut faire en termes de recommandations. On ne rencontre pas les élèves à l'entrée parce qu'il y a problème. On les rencontre parce que dans les pratiques, n'est-ce pas, donc l'action des systèmes éducatifs, quel que soit le pays, c'est toujours comme ça. Une année finie, avec les leçons en fait qu'il faut, une autre commence, il faut donc se revoir en fait à pour dire voilà ce que nous entendons faire pour pouvoir faire face à telle ou telle situation qui a prévalu euh, donc fait l'autre année. C'est dans tous les pays du monde, en fait, c'est toujours comme ça, les questions de préparation de la rentrée scolaire, c'est l'ensemble des acteurs qui, qui s'y mettent donc ensemble pour pouvoir donc le faire. Mais les négociations, elles, euh, elles ont eu lieu tout au long de, tout au long de l'année. Les rencontres ont eu lieu tout au long, fait tout au de l'année. Mais quand on dit rencontre pratique de l'année scolaire, vous avez, il y a même les parents d'élèves, il y a les projets, il y a tout le monde. Ce n'est pas seulement que les syndicats. C'est ça la précision qu'il faut avoir. D'accord. Euh, vous avez organisé une évaluation à, l'issue de laquelle il y aura forcément un besoin d'enseignants sur le terrain, puisque certains sont remerciés et d'autres seront en formation. Est-ce que toutes les classes auront des enseignants à la date du 2 octobre En fait, je vous ai, j'ai entendu beaucoup de gens en fait, spéculer un peu sur cette question-là. Euh, peut-être à défaut d'avoir d'autres arguments sur lesquels il faut insister, on saute un peu sur il faut il va avoir un gap ou quoi que ce soit. Sachez que on a un surplus, tout le monde sait. Nous avons un surplus d'enseignants qui évalue environ un peu près de 14 000 en fait, enseignants avant l'évaluation. C'est-à-dire que des gens qui sont entrés dans les classes sous forme de suppléants, vous avez ici, des vous avez trois enseignants par classe ou même quatre. Nous avons également une autre pléthore de l'administration affaires scolaire. Sur le LPC, il a été prévu le redéploiement. C'est pour une gestion rationnelle des ressources, c'est pour qu'on mette tout le monde au travail. Donc, ces gaps, il ne peut pas y avoir de gaffe avec ces mesures de redéploiement, mais également avec des nouvelles mesures qui ont consisté à faire en sorte que la casse scolaire puisse réveiller La casse scolaire, c'est quoi Sur le respect de la création d'écoles. Vous avez dans certains endroits des écoles avec euh, euh, moins de 20 élèves, une dizaine d'élèves, avec plusieurs maîtres qui, en fait, qui sont là. Donc, il a été prévu dans ces écoles-là de les regrouper, et elles sont donc déjà regroupées, ce qui va avoir, permettre d'avoir un gain de mètres. L'un de l'autre, il n'y aura pas à faire de cap par rapport à ça. Et n'oubliez pas que 6000 nouveaux AC sont également sortis des écoles normales donc, euh, à la fin de l'année scolaire 2017. Euh, donc, ceux qui le disent, le disent simplement à défaut d'avoir un argument pour pouvoir euh, combattre ou démolir les aspects, nest pas, positifs de la dévaluation. C'est pourquoi on c'est la question des gaps. Dans tous les cas, en fait, nous sommes là, nous disons qu'il n'y aura pas de gap. Et si les mesures que nous avons prises nous estimons qu'elles vont permettre de, combler ces gaps-là, entre guillemets, parce que je ne considère pas ça encore comme, en fait, comme était fait un gap. On va mettre tout le monde au travail, tous ceux qui sont qui sont jeunes dans les bureaux, nous allons les mettre dans les classes. D'accord. D'ailleurs, sur, cette, question du redéploiement des enseignants, est-ce que les syndicats sont impliqués Oui, les syndicats sont impliqués, mais c'est très simpliste par rapport à cette question. Nous faisons partie des syndicats qui ont demandé à ce que les enseignants soient redéployés. Ça, hmm. c'est clair, ça, c'est notre credo. Nous, on n'est pas d'accord qu'il y ait trop d'enseignants en ville pendant que dans la périphérie, il y a des classes sans enseignants. En principe, personne, aucun syndicat ne s'oppose à ça. Où, est-ce que la difficulté se situe La difficulté se situe dans la comment fixer les critères. Parce que nous savions très bien, sans critères, on ne peut pas faire un redéploiement honnête en respectant l'ensemble, enfin, en prenant sur le même pied d'égalité l'ensemble des camarades. Voyez-vous, c'est ça notre problème. Dieu merci, cette année, nous faisons partie des deux comités, je crois, le DRH peut témoigner, des deux comités qui sont en train de réfléchir et de fixer les critères de, pour pouvoir euh, redéployer les enseignants. Ça, on est d'accord, on est dedans, il n'y a aucun problème par rapport au problème D'accord. Oui, allez-y. Allô, Samna Oui. Vous avez écouté, oui, vous avez écouté le directeur des ressources humaines. Apparemment, la synergie n'a pas encore été appelée par, par le ministère pour une quelconque rencontre à la veille de cette, de cette rencontre. Oui, cela est tout à fait, euh, disons, regrettable. Nous disons simplement, puisque euh, il ne sert à rien de se regarder en chef défaillant, que ce soit les syndicats, que ce soit le gouvernement, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les techniciens, nous devons tous ensemble œuvrer euh, pour que, au niveau de notre système, pour que nous puissions avoir une école performante. Et cela fait extrêmement mal quand euh, on dit qu'aujourd'hui, et quand on le constate d'ailleurs sur le terrain, euh, que nous avons des élèves qui ne sont pas très performants, nous estimons que cela n'est pas bon. Et pour que nous puissions avoir une situation extrêmement stable, nous pensons que c'est un devoir pour le gouvernement comme il a eu à appeler la fusion, essaie d'appeler également la synergie Niger-Sinacep afin qu'il puissent avoir des discussions autour donc, des préoccupations communes, puisque les préoccupations de la synergie sont également des préoccupations donc, du gouvernement. Mmh. Euh, le directeur de la humaines l'a reconnu. Nous n'avons pas encore été appelés et nous continuons à, à attendre que nous puissions être appelés et que nous puissions discuter autour de ces préoccupations afin que nous puissions avoir une année scolaire stable année, scolaire stable, puisque nous l'avons dit tout à l'heure, au niveau de la synergie, pour la rentrée, nous estimons qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes pour la rentrée, nous allons la faire. Mais pour que, après la rentrée, l'année scolaire qui va durer les neuf mois ne puisse pas connaître des mouvements, nous pensons qu'il est tout à fait normal que nos partenaires nous appellent, qu'on puisse s'asseoir, qu'on étudie les difficultés que nous avons, qu'on essaie de trouver des solutions. Nous estimons que cela va permettre à l'école publique nigérienne de retrouver ses lettres de noblesse, va permettre à l'école publique de retrouver la stabilité. Sur cette question de... Euh, oui Ne pas poser le syndicat euh, à une rencontre, à, des rencontres, ne pas négocier avec le syndicat, ne pas discuter avec le syndicat. nous estimons que euh, cela n'est pas bon. Sur cette question de redéploiement Oui. Vous savez, la question de redéploiement est une question extrêmement importante pour nous. Au niveau même de la synergie, la préoccupation, elle est la même que pour tous les syndicats. Aucun Nigérien ne dira qu'il est d'accord qu'une région puisse avoir beaucoup d'enseignants et qu'une autre région n'est pas du tout enseignant. Personne ne peut développer, ne peut soutenir une telle idée. Mais au niveau de la synergie, nous sommes fermes par rapport à ça. Nous disons que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait redéploiement sur une base d'arbitraire, sur une base arbitraire, sur le favoritisme, sur des choses qui ressemblent à ça. Ça, nous ne pouvons en aucun cas l'accepter. Et nous l'avons dit au, niveau des différents comités où nous avons eu à travailler, qu'il faut qu'il y ait des critères. Qu'on élabore d'abord les critères, qu'on dise, voilà, si tu es dans telle situation, voilà ce qu'on doit faire. À ce temps-là, on peut procéder au redéploiement. Mais nous ne pouvons pas accepter que cela puisse être fait sans que les travaux ne puissent vraiment être achevés. Et nous sommes convaincus que le ministère ne va pas euh, euh, dans la précipitation, à la date d'aujourd'hui, il ne l'a pas encore fait. Nous pensons que le ministère est en train d'attendre les résultats donc, euh, donc de ces travaux que nous, auxquels le syndicat que nous sommes, la société civile active en éducation, également a pu participer et contribuer, puisque nous, je le disais, nous contribuons tous pour la recherche donc, de la qualité. D'accord. Nous n'avons pas vraiment d'objection, mais il faut qu'il y ait d'abord des critères. bien définis, bien clairs, bien précis. D'accord, euh, Samna, restez avec nous. Achana, vous avez entendu l'inquiétude des syndicats, c'est surtout euh, les critères de redéploiement des enseignants. Est-ce que vous avez euh, établi des critères Bien, en fait, il ne s'agit pas pour l'administration d'établir à des critères. Oui. L'administration elle-même n'a pas d'intérêt à ce que les déploiements se fassent sur une base qui n'est pas scientifique, qui n'est pas mm. assise, puisqu'il n'aura pas de durabilité. C'est pour cette raison qu'il a été créé, n'est-ce pas, donc, euh, un comité à l'enseignement primaire qui est constitué, dis je des parents d'élèves, des syndicats d'enseignants, de l'administration, euh, d'autres euh, d'autres membres de l'administration comme la fonction publique, vraiment des ONG actives à fait en éducation pour réfléchir sur les critères. Au moment où je vous parle, le comité a déjà déposé son rapport. Et ce rapport est en train d'être euh, révisité par les la législation pour voir donc en termes juridiques si les aspects qui sont mis sont conformes à un certain nombre de textes et aux règles de droit. Une fois que les actes auront été pris, nous allons effectivement procéder au redéploiement. Ça nous met nous-mêmes à l'aise d'avoir donc à faire des critères que les syndicats peuvent contrôler. En concertation avec les syndicats En concertation, ça a été fait. Si, si, je vous le travail, si vous avez suivi tous les deux, on dit, qu'il y a un comité où sont tous membres. C'est avec eux qu'on a élaboré ces critères, qu'on a élaboré ces projets d'arrêté qui fixent les critères d'affectation à faire au développement. Une fois que ces critères auront été validés à travers un acte que les ministres donc vont signer, nous allons procéder donc à faire au redéploiement sur la base de, ces textes-là qui vont servir donc de boussole et pour tout le monde pour les institutions, mais également pour les syndicats qui ont un droit de regard par rapport aux actes qui qui vont être posés. Donc, euh, on sait que le PSF l'a écrit et n'a pas été écrit le PSF par le gouvernement lui seul, par il a été écrit à la fois avec les syndicats mais également avec les organisations civiles actives en éducation. Donc de ce point de vue, euh, je pense que euh, vous tous vous l'ont dit, personne n'est contre le déploiement, mais les gens ont raison de se poser des questions sur les bases objectives de lesquelles ce déploiement va se faire. Et je, puis vous dire que nous-mêmes, nous n'avons pas intérêt que nous le fassions sur des bases, euh, sur des critères qui ne tiennent pas à la route, qui ne sont pas durables. D'accord. Parce que ça peut nous rattraper par la suite. Pourquoi l'autorité néglige le paiement des pécules des contractuels Pourtant, elle doit être une dépense prioritaire. On se souvient encore que vous avez dépensé des centaines de millions pour évaluer les euh, enseignants. le, mot négliger, a fait, se trop dire. Pour comprendre la difficulté qui fait que chaque année on revient sur cette question-là, il faut revenir au cadre institutionnel. Le système de paiement c'est d'abord un système de crédit délégué aux régions. Et c'est dire les titres de transfert, ce n'est pas les titres de salaire. Donc, c'est les autres sans dépenses qui sont envoyées aux régions et qui, le plus souvent, n'ont pas d'argent. Il y a plusieurs parents qui entrent dans la lourdeur de cette question-là. Quoique, ce n'est pas une excuse puisque notre administration aussi n'est pas à 100% en fait parfaite. Donc, c'est par rapport à ça que c'est une difficulté. Et des efforts sont faits pour pouvoir améliorer cette question de paiement. Et il vient de vous le dire donc récemment, il y a eu des experts qui ont été en fait qui une étude est en train d'être menée et le jeudi prochain cette étude va être partagée à travers un pour voir les voies qui vont permettre de payer le actuel à temps. Parce que le dispositif actuel tel qu'il est, il est assez lourd et il ne permet pas. Euh, parce que euh, lorsque on dit euh, Tilaberi payer 2 milliards, Tilaberi n'a pas de 2 milliards dans le trésor régional de Tilaberi. C'est ça la difficulté. Lorsqu'on nous dit Ottawa, payer un milliard, il n'y a pas de récipiétaire d'un milliard dans la région d'Ottawa. Donc il y a cette façon, il faut encore rééquilibrer au plan national qui fait qu'il y a toujours des. Tel, tel est, tant qu'il est en fait comme ça, ça va être extrêmement difficile si il n'y a pas assez d'argent liquide dans les eh, comptes eh, des trésors régionaux. Et ça va faire en sorte qu'il y a toujours des équilibres. Vous avez vu, il y a des gens qui paient avant d'autres. Donc, personne ne peut négliger quand même la question eh, primordial qui est celle du paiement à faire de chaleur. C'est pourquoi tantôt ça marche bien pendant un certain temps et puis après ça régresse. Je suis désolé, on ne l'a pas voulu, le Premier leur a dit ça et comme je l'ai dit, euh, des mesures sont, ont été à fait données pour qu'au lieu d'autorisation des dépenses qui soient envoyées et qui prenaient beaucoup plus de temps, ce soit les paiements par anticipation qui ont été euh, euh, édictés par le ministère des Finances pour que <coughs> ça soit fait vraiment avec beaucoup de célérité, eu égard au temps, peu de temps qui reste par rapport à la rentrée. Et mhm. vous avez suivi donc, euh, en fait, les réseaux sociaux où les gens donc disent que les paiements, en tout cas du mois d'août et dans certains cas de septembre donc vont commencer pour permettre de rattraper. C'est un retard en fait reconnu de façon par tous, mais dont tous connaissent également en fait les raisons, quoi qu'elle émane l'administration, mais du fait que notre chaîne administrative, n'est-ce pas, est un peu responsable de cette question-là et notre système de distribution des richesses, puisque les régions n'ont pas les mêmes capacités. Les régions, il y a peu de, par exemple, Tilaberi a une dépense énorme pour les contractuels, alors que Tilaberi n'a pas assez de recettes. D'accord. Il y a souvent un peu de contraction par rapport à ça. D'accord. vous êtes, d'accord avec cette explication Par rapport à cette question du, retard dans le paiement des Bon, sait que dans tous les cas, les autres questions techniques, le, le DRH l'a dit, mais nous, notre euh, souhait, c'est que les anciens contractuels soient payés au même titre que les anciens titulaires. Voilà notre souhait et voilà ce qu'il faut faire pour qu'il y ait véritablement une bonne rentrée, une bonne accalmie au niveau de l'école. Payer à terme échu les anciens contractuels et l'ensemble des fonctionnaires, ça c'est primordial. Après ça, moi je pense qu'il y a d'autres points. Il faut qu'on nous langue complètement entre l'administration, entre les ministères et les syndicats. Vous savez pourquoi Rien qu'aujourd'hui, ce matin, on a partagé deux heures de temps avec le ministre de l'enseignement primaire, mais les deux heures qu'on a eu à passer, on a dénoué des questions qu'on n'a pas pu dénouer en un an de négociations. Voyez-vous, par exemple, le cas de la section spéciale, beaucoup de nos camarades s'inquiétaient par rapport à où ils vont faire la section spéciale. Et récemment, nous avons posé la question à M. le ministre. Il nous a dit non, notre inquiétude sera prise en compte parce qu'il ne tenait pas à rassembler l'ensemble de ceux qui vont faire section spéciale à Niamey, mais il va essayer de faire trois centres qui seront répartis euh, géographiquement, bien répartis euh, au, niveau du euh, dans l'ensemble de l'étendue du territoire du Niger. Voyez-vous Donc, moi, s'il ne tenait qu'à moi, j'allais dire, il est très important qu'il y ait ce dialogue-là permanent entre les syndicats et les ministères. C'est très important. D'accord. Alio Samna, quelles sont les conditions les garanties pour une bonne année scolaire stable eh, eh, avant de répondre à ça, je voudrais, eh, par rapport à la, au, dernier point de vue donné par euh, le ministère des Ressources humaines, euh, dire simplement que je ne suis pas du même avis que lui. le trésor nigérien est unique. Il y a toujours la possibilité de faire les transferts de fonds. Lorsqu'une localité a, un manque donc de ressources, on a la possibilité de prendre ces ressources et de les envoyer eh, dans la région. Euh, et, eh, premièrement. Deuxièmement, eh, l'autre difficulté, c'est qu'il y a des responsables au niveau donc, de certaines régions qui ne font pas bien leur travail. Et il faut le reconnaître. Lorsque un responsable régional envoie donc des documents avec tout ce qu'il a comme staff, hein, il a tout autour de lui un certain nombre d'enseignants qui sont là, des administrateurs pour l'aider dans sa tâche, ah et qu'il envoie euh, des dossiers qui, par la suite, sont rejetés à cause donc de certaines choses qui sont totalement inacceptables, nous estimons qu'il va falloir à ce niveau euh, que le ministère euh, vraiment puisse prendre ses responsabilités. Il faut que le ministère soit dû à rencontre donc de ces régions pour que cela ne puisse pas être d'habitude. Cela est devenu une habitude au niveau de certaines localités où chaque moment qu'ils font les États et qu'ils les transmettent, il y a toujours des fautes des gens, il y a toujours des corrections qu'il va falloir faire. Nous estimons que cela est de la responsabilité donc, du ministère et de ses démembrements. Donc nous estimons que euh, non seulement on a la possibilité d'envoyer l'argent partout où on a besoin, puisque c'est le même trésor, et on a la possibilité également d'envoyer euh, les documents à temps pour que nos camarades puissent être euh, payés. Par rapport au paiement donc, des enfants contractuels, nous disons que cela doit être, même pour le gouvernement, un devoir. Pas un devoir euh, pour nous seulement syndicats, de demander à ce que le gouvernement le fasse, mais le gouvernement doit même lui-même se dire que j'ai le devoir de payer euh, ces enseignants contractuels au même moment que les enseignants, puisqu'ils sont tous les enseignants et ils font tous le même travail. Maintenant, par rapport à la question que tu, que tu as posée tout à l'heure, à savoir euh, quelles sont les conditions vraiment pour qu'il y ait une année. Oui, ça me très vite. Vraiment, nous disons que ces solutions-là sont dans les mains du gouvernement. Le gouvernement seul a les solutions. La première, il le sait très bien, c'est d'appeler d'abord les partenaires, de discuter avec les partenaires, de pouvoir s'entendre pour que la stabilité de la, de la rentrée puisse continuer jusqu'en fin d'année. Deuxièmement, c'est les engagements qui ont été pris. Et le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements. Nous estimons que le gouvernement doit respecter les engagements qu'il a librement souscrits avec nous. Alors, si le gouvernement arrive à respecter cela et à créer un climat vraiment de confiance, un climat de négociation ni niveau de négociation permanentes avec les syndicats, nous estimons que l'année scolaire ne peut qu'être stable. D'accord, D'accord Samla, merci. Nous sommes au terme euh, de ce forum. Euh, sachez simplement que ce débat nous a permis de comprendre que les préparatifs vont bon train, les fournitures sont disponibles. Pour une bonne rentrée scolaire stable, il faut un dialogue permanent, le paiement à terme échu des pécules et également le dénouement de toutes les questions liées aux accords avec les syndicats. Nous avons eu dans ce studio Achana Hima du ministère des enseignements primaires, euh, Taher Bra du syndicat national des enseignants du Niger et Aliou Samna en ligne de la synergie Cause Niger Sinaseb. Je vous donne rendez-vous pour un autre forum du studio Kalangou demain à partir de 18h15. Au revoir.